le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Il est 18h15 à Niamey, l'heure du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz Amphani FM 100 MHz, Kwaratagi FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook Studio Kalangu. Notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum du studio Kalangou est un espace euh, d'échange à travers lequel des personnes aux ressources apportent euh, des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou s'intéresse à la pêche et la promotion de la pisciculture. Dans un premier temps, nous parlerons des atouts et les insuffisances de la pêche au Niger. Dans la seconde partie, nous aborderons les efforts de l'État et de ses partenaires pour la promotion de la pisciculture au Niger. Avec nous pour développer euh, ce sujet, colonel Idrissa Ali, président de la plateforme pisciculture et président de l'ONG ADA, l'association des aquaculteurs. Colonel Idrissa Ali, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Ramatou Beidi, représentant la Fédération nigérienne des pêcheurs du Niger. Ramatou Beidi, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Nous avions également invité la Direction générale de l'environnement, mais malheureusement cette dernière n'a pas répondu présente à notre invitation. le Niger dispose des ressources halieutiques appréciables. Leur existence est liée à la disponibilité des ressources en eau de surface, le fleuve Niger et ses affluents, le lac Tchad, la komadougou les mares naturelles et les retenues d'eau artificielles. Ces différents plans d'eau couvrent une superficie d'environ 410 000 hectares et sont riches en produits de pêche comme les poissons, les crustacés, les mollusques et les algues. La pêche touche directement ou indirectement plus de 50 000 personnes dotées d'un savoir-faire traditionnel et semi-moderne en pêche et aquaculture. 9 111 ménages pratiquent au moins une activité du secteur de la pêche. La production nationale serait d'environ 40 000 tonnes. En moyenne, la pêche génère plus de 40 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires par an. La consommation nigérienne de poisson qui est de l'ordre de 3 kg par habitant et par an. La demande est portée majoritairement sur le poisson frais plutôt que sur le poisson transformé. Ainsi que l'ont relevé plusieurs études, la pêche fait partie des secteurs les plus menacés par les changements climatiques au Niger. Colonel Idriss Ali, président de la plateforme pisciculture, présentez-nous d'abord euh, votre euh, structure. Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui. Nous allons présenter l'ONG ADA, qui est une structure qui est très vieille, qui est issue d'un projet d'État qui a travaillé sur les techniques de pisciculture au Niger. C'était en 1996 que ce projet avait pris fin et par la suite, il a été commué en ONG avec l'accord des autorités nigériennes pour promouvoir justement la ressource poisson dans notre pays. Ce qui est très important, c'était une volonté politique qui nous a permis de mettre en place cette euh, ONG qui a depuis œuvré pour que la ressource de poisson qui était en diminution, comme vous venez de le mentionner, puisse être soutenue, développée dans notre pays pour le bonheur des Nigériens. Donc euh, c'est une structure euh, non étatique, mais par la suite, avec notre expérience, c'est là que je vais revenir sur la plateforme euh, pisciculture, innovation pisciculture Tilaberi. Au niveau de Tilaberi, puisque c'est une des régions les plus poissonneuses du Niger, il y a eu effectivement le souci de faire contribuer cette région au développement du poisson. Donc l'idée de créer cette plateforme est venue comme ça pour relever le défi de la baisse de la production piscicole au Niger et c'est là que j'ai été porté à la tête de cette organisation vu mon expérience. Ramatou Beidi de la Fédération nigérienne des pêcheurs, euh, présentez-nous votre structure également. Eh, merci, monsieur. Je suis euh, Madame Seyni Ramatou Abdoubedi, je suis membre de la Fédération nationale des groupements des pêcheurs du Niger. Cette fédération a été créée depuis le 14 février 2004 par l'arrêté numéro 4 du ministère euh, de l'Intérieur les objectifs dont euh, la fédération s'est fixée, c'est vraiment de représenter et défendre les intérêts des membres, de développer toute stratégie en vue de mieux organiser la filière de la pêche et de mener toute activité propre à promouvoir la pêche au Niger, appuyer aussi la politique nationale en matière de la pêche, assurer la solidarité et l'intérêt entre les membres nous œuvrons aussi pour une gestion rationnelle des ressources naturelles et nous mobilisons aussi les partenaires au développement pour soutenir les activités des pêcheurs au Niger. Alors, euh, colonel euh, Idriss Ali, président de la plateforme Pisciculture, quelle est la situation de la pêche actuellement au Niger Bon, je crois que vous venez de brosser en termes de production, vous venez de dire les chiffres qui sont officiels, mais Aujourd'hui, je, dirais tout simplement que ces chiffres sont largement en train de baisser. Et ça, je crois que c'est au niveau du monde entier. Toutes les eaux naturelles connaissent des problèmes de production halieutique aujourd'hui. Donc, le Niger ne fait pas exception parce que on va le, le, voir plus loin. Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent aujourd'hui à faire baisser la production de de poissons au Niger. Si nous prenons l'exemple des statistiques dont nous disposons au petit marché de, Niamey, avant, c'était dans les années 80, on consommait environ 10 000 tonnes de poissons. Aujourd'hui, selon les statistiques, pour le poisson produit localement, on est à moins de 1 000 tonnes. Donc, pratiquement un dixième de la production que nous avons l'habitude de consommer dans la zone de Niamey essentiellement. Donc, c'est très très inquiétant, ça pose beaucoup de problèmes, non seulement pour les consommateurs, mais surtout pour les producteurs qui ont l'habitude de fonder leur, vie sur cette ressource. Donc, c'est vraiment une grande source d'inquiétude. Alors, colonel Idrissa Ali, quels sont les atouts dont regorge le Niger en matière de pêche Vous l'avez déjà dit, nous avons déjà le fleuve Niger, qui est long de 550 km entre la frontière du Mali et la frontière avec le Nigeria. Donc 550 km de fleuve, c'est quand même énorme. Nous avons les mares, il y a plus de 2000 mares au Niger. Sans compter les affluents du fleuve. Sans compter les affluents les affluents, évidemment. Là, je ne parle que des mares permanentes parce qu'il y a des milliers de mares temporaires que l'on pouvait exploiter à des fins piscicoles, donc pour produire du poisson pour les Nigériens. Il y a le lac Tchad. Bon, là, on développe la pêche là-bas, mais ce qu'il faut dire, c'est que la production du lac Tchad n'est pas vendue au Niger. Grosso modo, tout part au Nigeria, mais évidemment, aujourd'hui, avec euh, la situation sécuritaire que vous connaissez de ce, de, ce côté, avec euh, Boko Haram, je dirais directement. Terre à terre, comme disait Terre eh ben, il n'y a plus de pêche sur le lac Tchad, alors que c'était 50 000 tonnes annuellement qui étaient pêchées là-bas. Mais même si ça partait au Nigeria, c'était quand même un retour d'argent important pour le Niger qui est perdu colonel Idrissa Ali, quels sont les obstacles ou encore les insuffisances du Niger en matière de pêche Alors, pour la pêche, je dirais que déjà, au niveau climatique, nous avons perdu un peu notre base de production, c'est-à-dire le fleuve est pratiquement perdu, entre guillemets, parce que... À cause de l'ensablement Voilà. Donc, le fleuve s'est énormément ensablée. Et je crois que c'est un facteur irréversible vu l'état de développement du climat. Les mares également ont été envahies par le sable, donc le fond des mares se sont encombrés. Bon, le lac Tchad, ça va encore, mais même là, on a de l'ensablement de qui est là. Et donc, c'est la ressource poisson dans ces conditions qui est compromise. Donc, à ce niveau, vraiment, il n'y a pas grand espoir comme partout dans le monde, parce que les facteurs qui ont contribué à faire baisser la production de poissons sont difficilement réversibles. On peut difficilement changer au niveau de l'ensablement. On peut difficilement corriger la gestion qui est faite de ces ressources parce que qu'est-ce qui se passe Nous avons une population essentiellement analphabète qui exploite les poissons qui sont contenus dans ces plans d'eau-là. Alors, dans ces conditions, quand on a affaire à des analphabètes, malgré la volonté de l'État, malgré la sensibilisation, malgré les lois, etc., les exploitants ont du mal à adopter des bonnes pratiques de pêche. Vous, parlez, euh, colonel, des bonnes pratiques euh, de pêche. Est-ce qu'il y a des normes à respecter Il y a des normes à respecter parce que de toute façon, euh, il y a une législation qui est au Niger, qui est mise en place dans tous les pays du monde pour justement une gestion responsable, une gestion durable des ressources contenues dans les eaux. Donc, le problème, c'est au niveau de l'application que ça ne va pas. Au niveau de l'application, je parlais tantôt du caractère analphabétique de nos exploitants. Donc, c'est difficile, dans des conditions d'analphabétisme, de respecter ces lois-là. Donc, il y a eu des sensibilisations, mais malheureusement, ce n'est pas évident. Et de toute façon, quand on a faim, mhm. on ne respecte rien. C'est très important ça, parce que le contexte général de nos pays nous montre que la population est obligée de développer des stratégies de moyens d'existence. Depuis lorsque la production agricole a chuté dans les années 73, eh bien tout le monde s'est mis à développer des stratégies, c'est-à-dire qu'il fallait un peu d'agriculture, un peu de pêche, un peu de petit commerce, un peu de tout pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc, dans un contexte comme ça, où on est obligé de se débrouiller entre parenthèses pour vivre, il est très difficile de faire respecter les règles de pêche, en l'occurrence. Madame Seini Ramotou Abdoubeidi, de la Fédération nigérienne des pêcheurs, est-ce que la pêche nourrit son homme aujourd'hui Merci, Monsieur Mokhtar. J'aimerais un peu revenir sur ce qu'a dit Monsieur le Président de la plateforme d'innovation pisciculture de la région de Tilabéry par rapport à l'importation euh, des poissons vers le lac Tchad. Donc, si le poisson du Niger est importé du Niger vers le Nigeria, d'abord c'est sous une forme, sous une autre forme. Donc il faut d'abord qu'il transforme ce poisson en poisson fumé ou séché pour le transporter vers le Nigeria cela est dit à quoi Cela est dit effectivement à l'éloignement des centres de consommation du poisson. Le lac Tchad est un peu éloigné vers les centres urbains qui consomment euh, le poisson et c'est du fait cela qui amène les pêcheurs à transporter leur poissons transformés vers le Nigeria. Je reviens aussi sur, le fait qu'il a ramassé la pêche d'une manière générale au Niger, comment ça se passe. Mais il faut noter aussi que la pêche contribue au PIB, bien que cela est très minime la pêche est un secteur qui contribue au PIB national. C'est juste peut-être 1, à 2 au PIB, mais il faut aussi le noter parce que c'est une euh, contribution. Si, les euh, si le secteur était bien travaillé, euh, je crois bien que la contribution du PIB allait dépasser les 5 donc, par rapport euh, euh, à, la question, j'allais dire que au niveau de la fédération, nous, nous croyons à cela. La pêche, la pêche nourrit bien son homme. Mais il faut changer maintenant les techniques. Nous avons vu au niveau de la pêche que faisaient nos membres, ça ne rapportait pas comme on le voulait et on a essayé de sensibiliser nos pêcheurs pour le retourne vers une autre activité, toujours dans le domaine de la pêche, mais maintenant c'est la pisciculture. Donc, nous, presque tous nos membres sont retournés vers, vers cette tendance-là. La pisciculture qui est en, quelque sorte l'élevage des poissons. Et en élevage de poissons, nous allons dire que la Fédération nationale des, des, des groupements des pêcheurs, nos membres trouvent bien leur compte. Parce que quand on prend, il euh, ne reste que la pisciculture intensive ou on apporte l'aliment et l'eau dans les étangs, nous avons 5 à 10 tonnes par hectare et par an. C'est énorme. Donc, euh, tu vois, quand on, essaye essaie vraiment de bien travailler les étangs, quand c'est un étang d'un hectare, pendant un an, tu dois normalement avoir 5 à 10 tonnes. Donc vraiment, je me dis que euh, cette pêche-là peut bel et bien nourrir son nombre. Quelles sont les difficultés auxquelles vos membres font quotidiennement face euh, les difficultés, ça ne, manque pas. Euh, je veux citer les quelques difficultés. Un, nous avons vraiment le problème d'alimentation parce que nous nous sommes retournés vers la pisciculture et qui dit pisciculture, la matière première, il faut l'avoir en sa possession. C'est vraiment l'aliment poisson. Après l'aliment poisson, il y a l'eau. Il faut que les pisciculteurs aient l'eau à côté d'eux pour pouvoir bien faire le travail. Donc, nous avons les formations. Donc, le renforcement des capacités des membres est très, très, très nécessaire. Parce que si les membres ne sont pas, euh, les capacités des membres ne sont pas renforcées, ils ne peuvent pas rendre l'appréciation chiffrée. Il nous faut avoir une appréciation chiffrée de nos membres. Si D'autres peuvent le faire. Ils ne sont pas tous capables de faire l'appréciation chiffrée de leur compte au niveau des exploitations familiales. Il y a aussi le coût des motopompes parce qu'ils utilisent les motopompes. Donc il y a un coût élevé par rapport à ça parce que les motopompes ont besoin d'essence pour mettre de l'eau dans les étangs ou bien pour évacuer l'eau eh, se trouvant dans les étangs. Donc c'est quelques difficultés. Je suis sûr que le président en a d'autres à, ajouter par rapport à ça. Parce qu'il faut qu'au niveau de cette filière-là, qu'on arrive à développer la filière selon les secteurs ceux-là vont s'occuper de, de, de l'alevinage, là c'est l'alimentation, là c'est ceux qui vont faire uniquement le grossissement des alevins. Donc il faut qu'au niveau de ce secteur-là, on arrive à développer ces filières. Madame Saini Ramatou Abdoubaydi, quand on revient sur le fleuve Niger, est-ce que vos membres qui sont euh, sur le fleuve Niger et les mares euh, permanentes et semi-permanentes là n'ont pas assez de difficultés si, si, quand on revient au niveau du fleuve, quand on prend vers Ayerou, nous avons des membres qui sont vers Ayerou, mais la difficulté, c'est qu'ils sont envahis par les pirogues du Mali. Donc, ils ont, entre eux pêcheurs au niveau du fleuve là, ces difficultés-là, parce que chacun doit se limiter au niveau de, de sa partie. Mais quand nous, nous pensons que nous n'avons même pas du poisson et nous sommes envahis encore par un pays voisin pour pêcher dans le même fleuve, donc les difficultés euh, ne manquent pas. Ils ont aussi des difficultés par rapport aux, taxes qu'ils doivent payer au niveau de la douane. Quand il faut faire passer 10 à 15 pirogues, il faut voir combien ils doivent débloquer pour au moins payer les taxes au niveau de la douane. Madame Seyni Ramatou Abdoubaidi, depuis plusieurs années, nous assistons à une baisse du niveau du fleuve et autres cours d'eau. Est-ce que cela est une source d'inquiétude pour les pêcheurs oui, effectivement, c'est une source d'inquiétude. Le fleuve est, vraiment euh, envahi par le sable, par, la, euh, par euh, plusieurs herbes qui voilà qui ne permettent pas le développement des poissons donc vraiment c'est une inquiétude pour nous et nous pensons que euh, la politique euh, euh, nigérienne doit vraiment voir dans quelle mesure ils peuvent apporter une solution par rapport à l'ensablement du fleuve Niger. Depuis quelques années, nous avons entendu qu'avec la construction des deux barrages sur le fleuve Niger du côté du Mali, cela aura des conséquences sur la pêche au Niger. Est-ce que c'est réellement le cas Oui, quand les barrages sont construits, maintenant je pense que c'est des retenues qu'ils vont faire au niveau de ces barrages-là. S'il y a des retenues, est-ce que le fleuve aussi aura assez d'eau c'est ça, ça, ça, c'est un véritable problème. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de voir comment avoir des étangs piscicoles à côté de ces, de ces barrages-là pour que les pêcheurs se transforment maintenant en des pisciculteurs. Colonel Idriss Ali, vous avez quelque chose à ajouter oui, bon, moi, ce que j'allais ajouter, effectivement, je l'avais dit, il n'y a pas beaucoup d'espoir au niveau de la pêche. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de sauver le peu qu'il y a. Et ça, l'État est là-dessus. Il faut faire des efforts parce que au niveau technique, c'est-à-dire au niveau de l'exploitation du, du, poisson, continuer à gérer, malgré la, difficulté des, pêcheurs, essayer de faire respecter au maximum les règles de gestion pour que la ressource, le peu de ressources qui reste ne soit pas totalement évacuée. Donc, euh, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est sûr que le grand espoir se trouve aujourd'hui, et c'est une tendance mondiale, au niveau du développement de la pisciculture. Dans une époque relativement récente, nous avons constaté qu'il y avait un projet qui a commencé à désensabler le fleuve Niger. L'ABN aussi avait commencé à traiter les versants les autres embouchures du fleuve Niger. Mhm. Euh, est-ce que cela n'a pas contribué à rehausser un peu le niveau, la profondeur du fleuve Niger Non, je ne pense pas au niveau de la profondeur. Mais quand je disais qu'il faut sauver le peu qui reste, c'est aussi de faire tous ces efforts pour éviter que le fleuve ne continue à, s'ensabler. Ça, c'est évident. Je crois que ce sont des bonnes mesures qu'ils viennent d'initier comme ça. Le traitement en amont est certainement le traitement le plus efficace. Ce n'est pas tant le désensablement du fleuve lui-même qui est important, mais l'avenir du fleuve résidera dans la prévention, c'est-à-dire le traitement qui est fait en amont sur le bassin versant. Les premières expériences de la pisciculture euh, du Niger remontent à la fin des années 70. Ces dernières années, euh, des acteurs non agricoles, fonctionnaires, commerçants investissent dans la pisciculture. La Fédération nationale des groupements des pêcheurs du Niger et l'URECA se sont associés pour étudier les possibilités d'intéresser les populations riveraines du fleuve et en priorité les pêcheurs au développement des activités piscicoles pour euh, cela, il est indispensable d'avoir des informations précises sur euh, différents systèmes d'élevage et leurs résultats. En dehors euh, du fleuve, il existe des mares et des retenues d'eau dont un grand nombre font l'objet d'opérations d'empoisonnement. Il s'agit de la pisciculture extensive sans apport de nourriture aux poissons et même de fertilisants. La pisciculture extensive n'a pas été prise en compte dans ce travail, colonel Idriss Ali, de la plateforme Innovation Pisciculture, quelle est la différence entre la pêche et la pisciculture Je crois que tout le monde l'a compris. Pour la pêche, il s'agit simplement de disposer d'engins qui seraient déployés dans un plan d'eau naturel pour piéger des poissons. Alors que la pisciculture, c'est vraiment un élevage hors sol, c'est-à-dire un élevage dans des structures spécialement conçues qui coûtent de l'argent. Donc il faut remplir un certain nombre de conditions, bien sûr, pour les construire, pour faire l'élevage du poisson. Donc là, c'est la cueillette dans le fleuve, dans les mares, etc. C'est de la cueillette pour être très simple. Et de l'autre côté, c'est de l'élevage pur et simple. Le Niger est-il favorable à la pisciculture Absolument. Absolument. Parce que déjà, tout le long du fleuve Niger, on peut développer la pisciculture. Dans toutes les régions du Niger, nous avons des, des ressources en eau souterraine qu'on peut mobiliser pour faire de la pisciculture. Donc tout le Niger dans son ensemble, ce n'est pas seulement une question d'être à côté du fleuve, tout le Niger est favorable à la pisciculture. Ce n'est pas là que se pose le problème. Le problème, on va le voir plus tard, je, pense, mais il se trouve certainement ailleurs. Parce que déjà, on a un problème très important au Niger, au-delà des connaissances, parce qu'aujourd'hui, il y a un encadrement, il y a une, une, technique qui est mise au point grâce au efforts antérieurs de l'État avec les projets qu'il avait initiés pour euh, adapter la technique aux conditions du Niger, etc. Mais au-delà de toutes ces questions techniques qui sont aujourd'hui maîtrisées, c'est essentiellement deux choses qui vont nous manquer. C'est un engagement très fort de l'État pour développer la pisciculture. Au même titre qu'on l'a fait pour développer les rizières, on a investi des milliards au début pour faire des terrassements, pour faire des rizières qu'on a ensuite donné à gérer à des populations. Si on ne fait pas ce type d'effort de base pour développer donc les infrastructures d'élevage, c'est sûr que le Nigérien aujourd'hui a des très faibles capacités d'investissement, sans compter que l'état d'esprit même de nos Nigériens n'est pas pour l'entreprise, parce que la pisciculture, c'est une véritable entreprise. Il faut déjà avoir, bien sûr, les connaissances, la technique, mais il faut avoir aussi l'esprit d'entreprise et ça, ça manque beaucoup. Mais déjà, le fait de contribuer à la réalisation d'infrastructures de base au même titre qu'on l'a fait pour les aménagements hydro-agricoles à court de milliards, on pouvait l'envisager pour, les acteurs de la pisciculture pour leur permettre donc de développer par la suite cet esprit d'entreprise parce qu'une fois qu'ils auront pu accéder aux infrastructures de base pour faire des élevages, ils verront la rentabilité qu'il y a dans cette euh, activité et tout de suite, l'esprit d'entreprise pourra venir par la suite. Colonel Idriss Ali, quelles sont les variétés de poissons les plus couramment concernées par la pisciculture D'une manière générale, pour nos pays africains, il n'y en a que deux. Il y a ce que les gens appellent communément la carpe, c'est ce qu'on appelle le, tilapia. Il y a au niveau de la famille des siluridés, c'est-à-dire le côté silure, je crois qu'on comprend bien ce que c'est que silure, mhm, mhm. il y a des espèces de silures qu'on peut élever, qu'on sait élever d'une manière générale dans les pays continentaux, et en l'occurrence au Niger. Donc, en dehors de ces deux espèces-là, vraiment, on ne maîtrise plus rien. Mais c'est déjà suffisant, c'est déjà énorme si on veut vraiment développer la pisciculture. Colonel Idrissa Ali, au Niger, quelles sont les régions qui sont plus que d'autres favorables à la pisciculture en fait, le problème est compliqué parce que je fais référence aux capacités d'investissement. Tout à l'heure, je faisais référence à ça. C'est beaucoup plus un problème de pouvoir investir que de région. Parce que même en ayant le fleuve où l'eau coule sous les pieds, bon, quand on n'a pas la capacité, la terre, etc., pour investir, ça, ça sera difficile. Donc, quand on est à Agadez, à Agadez, il y a de l'eau il y a de l'eau souterraine partout. Partout, on peut faire. Est-ce que là-bas, à Agadez, on peut développer la pisciculture On peut développer, nous l'avons déjà commencé. On a déjà initié quelques activités là-bas et <laughs> la population. C'est concluant Commence à s'intéresser à cette activité parce qu'on leur a fait visiter des expériences vers le fleuve et à la suite de ça, ils ont commencé quelques activités de, pisciculture, mais c'est la première année, nous sommes en première année, nous ne sommes pas arrivés au résultats encore. Donc, partout on peut faire de la pisciculture, mais à condition de pouvoir disposer de, ressources financières pour mobiliser l'eau, pour construire les infrastructures d'élevage, faire face aux besoins euh, en intrants, comme l'aliment par exemple, et les petits poissons. Donc, c'est la seule condition, sinon partout au Niger, on peut faire du poisson. Madame Saini Ramatou Abdoubeidi, quels sont les résultats de la pisciculture après expérimentation sur plusieurs terrains Je l'ai déjà euh, souligné tout à l'heure. Pour nous, au niveau des étangs, parce que nous travaillons en pisciculture intensive, donc nous apportons l'apport en eau et en aliments. Et je l'ai souligné, si c'est un étang d'un nectar que vous avez, parce que quand vous avez les, les alevins aussi, il faut, il faut contrôler ces alevins. Je le parle sous le contrôle du colonel euh, Idrissa. Il faut que vous ayez les alevins mal pour le grossissement. Donc pour faire la pisciculture, c'est les alevins vraiment mal qu'il faut avoir dans les étangs. Parce que quand vous avez des, des femelles, euh, directement, elles, vont donner des œufs et qui vont se reproduire et ça va empêcher le développement des, des, des, des, des poissons. Mais quand c'est uniquement les mâles. Madame, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre les mâles et les femelles <laughs> Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est vraiment le renforcement des capacités. Nous avons Monsieur Idriss qui est le colonel Idriss qui est là. Il est très bien, très bien et, formé là-dessus et il peut vous dire quelle est la différence entre le mâle et la femelle. J'ai mon président ici présent en studio lui-même peut nous confirmer que on peut faire la différence entre les mâles et les femelles. C'est ce qu'on appelle le sexage des, des, des alevins. Donc, c'est le renforcement des capacités qui vont permettre à ces pisciculteurs de bien connaître, faire la différence entre les, les, les alevins mâles et les alevins femelles. Donc, ce sont les mâles qui sont propices à la pisciculture. Voilà, les mâles sont propices, je veux dire, au, grossissement, au grossissement parce que eux, ils ne se reproduisent produisent pas euh, comme les femelles. C'est les femelles qui se reproduisent. Donc, quand les femelles se reproduisent, il y aura des petits. Donc, vraiment, l'aliment que vous allez donner ne sera pas euh, suffisant pour euh, bien nourrir tout. Voilà les, les, alevins que mm. vous avez. Mais sinon, dans un étang d'un hectare, quand vous prenez, vous aurez 5 à 10 tonnes de poissons par an. Donc c'est un gros travail qu'il va falloir faire en amont. voilà comme l'a dit le, président de la, de, de PI. Mais pour plus d'explications, il peut peut-être en studio <laughs> nous donner la différence entre le mal et la bon, on, va, on, va, revenir vers lui. Madame Seyni Ramatou Abdoubeidi, la pratique ou l'activité de la pisciculture euh, nécessite-t-elle des gros moyens oui, des gros moyens, le président l'a dit tout à l'heure, parce que euh, c'est les moyens qui, qui, qui permettent de faire un élevage vraiment parce qu'il faut avoir d'abord les étangs. Pour, ah, pour construire un étang, c'est de l'argent. Pour avoir l'eau dans l'étang, c'est de l'argent. Pour nourrir ces, ces, alevins, c'est de l'argent parce qu'il faut avoir euh, la farine de maïs, il faut avoir des vitamines. donc vraiment, c'est tout un mélange d'aliments pour pouvoir nourrir ces, ces, ces, alevins-là. Et au niveau même des alevins, il faut avoir des alevins de qualité. Parce que regardons comment nos marchés sont envahis par des poissons venant de la Chine, du Burkina, du Mali. Mais, mais ils ont quoi Ce ne sont pas les mêmes alevins, c'est des alevins vraiment qui ont été spécialement produits pour la pisciculture. C'est différent avec les alevins que nous avons peut-être euh, juste dans nos, mares ou nos fleuves que les enfants pêchent. Vraiment, c'est des alevins qu'il faut peser, euh, des alevins de 5 grammes ou de 10 grammes qu'il faut avoir pour faire la pisciculture. Euh, les gros moyens, ça nécessite. La pisciculture nécessite vraiment des, gros moyens. Colonel Idrissa Ali, euh, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre le mâle et, et la femelle Oui, l'élevage du mâle concerne essentiellement le tilapia, parce que c'est lui qui est très prolifique, c'est-à-dire qu'il se multiplie très rapidement, c'est-à-dire à bas âge en plus. Dès qu'il a la taille d'un doigt, c'est-à-dire une dizaine de centimètres, même pas, ils commencent à se reproduire. Et l'expérience a montré que si vous laissez tout ensemble, mâle et femelle, ça ne marche pas. L'idéal serait de les séparer et de ne retenir que les mâles pour l'élevage. Et d'ailleurs, ça se vérifie même au niveau de, des bovins, des ovins. Euh, on voit bien que les moutons, pour l'engraisser, il faut séparer avec les femelles, etc. Donc, euh, pour le tilapia, c'est pareil. Il faut, faire, il faut retenir que les mâles. Et pour reconnaître le mâle, il, suffit de prendre le poisson. C'est la technique la plus accessible dans nos pays parce que les Blancs euh, ont développé d'autres techniques pour les différencier. Mais déjà, chez nous, la technique la plus accessible, c'est le saxage manuel. C'est-à-dire, vous prenez le petit poisson, vous le renversez sur le, vous regardez au niveau de son ventre, vous allez trouver euh, au niveau du mâle deux organes et au niveau de la femelle trois. Alors, c'est déjà suffisant pour un paysan qui veut faire la différence, qui veut se lancer dans l'élevage. Il n'a pas besoin d'aller plus loin. Il suffit de lui montrer en cinq minutes, euh, il comprendra que ça c'est un mâle et celui-là c'est une femelle. Donc, ça c'est tout un travail, colonel. Voilà, mais c'est très facile à, faire passer au niveau euh, du commun des, des producteurs, c'est-à-dire même celui qui n'est pas alphabétisé peut le comprendre très facilement. Parce que c'est visuel, il suffit qu'il voit deux organes ici, et là, trois. Colonel euh, Idriss Ali, de quoi est composé l'aliment euh, de ces poissons dans les étanques Voilà. Alors, au Niger, nous, nourrissons les poissons avec des sous-produits locaux. Alors, évidemment, il faut faire en sorte que les besoins du poisson soient couverts. Ça, c'est trop technique. Mais, grosso modo, l'aliment utilisé au Niger est composé de son de riz. Ça, ça se trouve au riz du Niger un peu partout. Donc, c'est disponible. Le son de, le tourteau d'arachide et de la farine de poisson. Donc, il y a de la farine de poisson, du poisson de récupération, etc., qu'on peut euh, euh, traduire en farine. Et tout ça est incorporé dans, l'aliment pour nourrir le poisson. Donc, c'est vraiment des sous-produits locaux. Il n'y a euh, aucun produit chimique qui est utilisé dans l'aliment comme on peut le voir en, Europe en général, dans les élevages en, Europe ou, ou, dans le monde. Donc, au Niger, le choix est basé sur les sous-produits locaux. Comme je le disais tout tantôt, la question c'est nos capacités d'investissement. C'est vraiment faible. Au niveau du pêcheur, on ne peut même pas l'envisager parce que le pêcheur n'est même pas capable de se nourrir euh, pour pouvoir envisager un tel investissement. Donc, il faut un soutien certainement extérieur, État ou autre, pour permettre à cette communauté qui est devenue très fragile aujourd'hui parce que ne trouvant pas de poissons, suffisamment de poissons dans le fleuve, de pouvoir se convertir en pisciculteur hein, et gagner sa vie. Donc, côté pêcheur, c'est vraiment un problème. Et même de l'autre côté, quand je prends l'exemple des pisciculteurs qui sont autour de Niamey, il y en a une soixantaine, parce qu'il y a grosso modo huit axes routiers qui rentrent dans Niamey. Sur tous les axes, il y a de la pisciculture. Et ces pisciculteurs, donc, qui sont d'ailleurs de la relève de la région de Tilaberi, sont organisés 60 pisciculteurs, grosso modo, sur lesquels on va trouver 30% peut-être de fonctionnaires, n'est-ce pas 65% de commerçants et 5% grosso modo de divers, c'est-à-dire de, de, de, chefs pêcheurs et d'autres donc, c'est pour vous dire que la communauté de pêcheurs ne peut pas facilement accéder aux infrastructures d'élevage de poissons. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau. Et de l'autre côté, quand on prend les fonctionnaires qui ont des jardins, qui ont des, et les commerçants, il, leur manque l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire... Il leur manque l'esprit d'entreprise, euh, colonel Idriss Ali. Comment faire pour amener ces euh, commerçants euh, et autres fonctionnaires à s'intéresser à la pisciculture Bon, le travail que nous faisons, c'est d'encadrer sérieusement ceux qui ont accepté de mettre l'argent dans l'activité piscicole pour que, au niveau rentabilité, il n'y ait pas de problème. À partir du moment où les autres auront vu que les, premiers entrepreneurs en pisciculture ont réussi, donc ils gagnent leur vie ils gagnent des bénéfices. Mais ils ont réussi. Est-ce que le fruit de leur entreprise, n'est pas pour la consommation de leur famille Non, ce sont des entreprises euh, carrément commerciales. C'est pour ça que je, je parlais d'entreprise. Tous ceux qui ont accepté d'investir leur argent aujourd'hui, c'est dans un but commercial. Donc, euh, ils, consomment très peu pour leur famille. Tout est d'ailleurs vendu au siège de notre organisation. C'est là que nous avons organisé le marché et tous les mardis et les vendredis, il y a des séances de, vente de poissons qui proviennent de, de, ces entreprises piscicoles que nous encadrons. Donc, euh, c'est vraiment des entreprises piscicoles. Donc, la rentabilité, est à démontrer. Nous sommes en train de, la démontrer et c'est sûr que c'est dans ces conditions que ça fera tache d'huile à ceux qui sont encore indécis, qui n'ont pas pris encore la décision de faire cet investissement. Madame Saini Ramatou Abdoubaidi, euh, rapidement, vos propositions de solutions pour une meilleure vulgarisation de la pêche et la promotion de la pisciculture au Niger euh, Merci, Monsieur Mokhtar. Donc, par rapport à, à la pisciculture, j'aurais dit qu'il faut mieux développer cette filière des pisciculteurs en les fédérant, donc en créant un cadre de concertation. Parce que je profite de votre antenne pour dire qu'au niveau régional, quand je dis le niveau régional, je parle des, pays de la CDAO, les 15 pays de la CDAO, plus la Mauritanie. Avant-hier, je vais dire le 24 du 21 au 24 euh, euh, mars, à Abuja, a été créée euh, la plateforme des acteurs non étatiques de la pêche artisanale et de l'aquaculture. Et au niveau de cette plateforme, il y a eu le règlement intérieur, les statuts, et il y a eu un plan d'action. Un bureau a été mis en place. Donc, il y a ce cadre au niveau régional. Au niveau des pays, il faut que les acteurs de la pêche artisanale et de l'aquaculture aussi se retrouvent pour créer une plateforme, donc un cadre de concertation où tous les acteurs vont se retrouver pour débattre de la filière. Ça, c'est une des solutions. Parce que tous les partenaires au développement de la pêche vont passer par ces plateformes-là pour pouvoir financer les activités au niveau des pays. Il faut aussi penser à professionnaliser le secteur. Il ne faut pas que moi, parce que je suis de la fédération, on dit que notre fédération, on va travailler sur l'alevinage, on va travailler sur l'empoisonnement, sur l'alimentation. Il faut qu'on essaye de voir des membres qui vont travailler uniquement sur l'alevinage. Vous, vous allez vous occuper de ce secteur-là. Ainsi de suite. Quand on prend au Niger, nous avons l'ONG ADA seulement qui produit l'aliment pour le poisson. Et c'est pas, ça, ne peut pas marcher si nous voulons développer ce secteur-là. Il faut qu'il y ait des entreprises qui fabriquent l'aliment poisson il faut qu'il y ait un renforcement des capacités pour les acteurs. Ces acteurs-là, il faut qu'ils aient une même compréhension de ce qui se passe au niveau de la pisciculture ça, c'est très nécessaire. Euh, Vous avez quelque chose à ajouter rapidement Je crois que ça passe par tout ça. Euh, le, renforcement des capacités, l'organisation des, acteurs et certainement une vraie politique financière aussi pour que les acteurs puissent accéder euh, au financement parce que, comme je l'ai dit, c'est assez lourd au départ, donc il faut certainement une politique derrière. Voilà, en conclusion, ce qu'il faut retenir, malgré les potentialités dont regorge le Niger, toutes les parties reconnaissent les difficultés du secteur de la pêche et de la pisciculture. Invite par conséquent le gouvernement et ses partenaires à mieux s'intéresser à ce secteur aujourd'hui gravement menacé. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec le colonel Idriss Ali, président de la plateforme Innovation Pisciculture et président de l'ONG ADA, l'association des aquaculteurs. Nous étions également avec euh, Madame Seyni Ramatou Abdoubeidi, représentant la Fédération nigérienne des pêcheurs euh, du Niger. Nous avions également invité la Direction générale de l'environnement, mais malheureusement cette dernière n'a pas répondu présente à notre invitation. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.